Jeunesse jeunesse panafricaniste, offert de lance de l'avenir. Jeunesse nigérienne, jeunesse panafricaniste, offert de lance de l'avenir. J'espère que vous allez bien, amis de la fada. Dans cette émission, on plonge dans l'actualité. Le 30 janvier passé, la Cour constitutionnelle du Niger a validé Hanet Antakara Mohamed Bazoum, Napenda Stareya, qui se retrouve désormais avec 39,30% de Mohamed Ousmane RDR Tchangi, qui a 16,98% des voix maintenant. Comme à l'accoutumée, après la validation des résultats, cette période est marquée par des alliances des autres partis politiques autour des deux <laughs> partis politiques. Les idéologies s'en mêlent et parfois kuwa central shock cikin wannan guguwar ta siyasa da take sa ana ganin kawance na bullowa daga ko'ina wasu daman ana tamahanin za su haduwa wasu kuma suna ba da mamaki quel enjeu pour les jeunes pour les jeunes militants et même pour le pays wannan kawancen na siyasa yana gyara matasan da suke cikin wa'annan parti politikin ko in ce matasan kasar duka kai har da kasar ma ku bi mu sau da kafa cikin wannan shirin namu a nan blue zone birnin yamai inda muka dora wannan fadar tare da matasa 'yan cikin politique, La musique, la rubrique L'artiste exprime et la chronique présentée par Olivier seront également de la partie. Awana Fadr Mouna Tarada Abdel Nasser, DG Kimbruzon. Abdel Nasser, ça va? Oui, Abdel Nasser, va, Nasser Ousmane. Ousmane. Abdelaziz, qui représente l'OJT. Abdelaziz, euh, maman, ça va? Tout nous sommes avec euh, Anas Jibril du mouvement Dynamique Citoyenne. Ça va Monsieur Anas, vous allez bien Ça va, je vais bien. Nous sommes avec Mahamadou Abdougado de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Mahamadou, ça va ah, Ça va très bien, Notre ami de Comment la Fada. vous allez Wasu tun zaɓe karo na farko sun shafka wancan nasu, wasu kuma sai da aka kama hanyar zuwa zaɓen karo na biyu. suka nuna c'est cikin 'yan wa'annan biyu lequel ils soutiennent pour ce dernier tour décisif que pensent les jeunes de ces alliances suivant ce Vox Pop réalisé par Farida Maman Il va falloir que les citoyens puissent euh, prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire va falloir qu'ils puissent donc, viser l'intérêt général. Donc il va falloir que ces gens soient donc, dans la capacité vraiment de faire euh, un choix mûr, c'est-à-dire un choix qui sera profitable au peuple et non pas à leurs intérêts mesquins et personnels. Est-ce que ces gens-là mettent l'intérêt du peuple nigérien en avant ou bien ils mettent l'intérêt de leur parti politique Puisque tu ne peux pas venir contester jusqu'à des reprises la nationalité d'un candidat et venir choisir ce candidat pour être le président de la République. Bon, moi, en tant que jeune, je ne me retrouve pas dans ces alliances, puisque L'avenir de ces pays peut perdre. Si on voit cette classe politique, n'ont aucun souci pour l'intérêt général. Alors nous, en tant que citoyens, notre appel que nous pouvons en tout cas lancer à l'ensemble des partis politiques, c'est de créer les conditions de faire un choix objectif, un choix qui va dans l'intérêt de notre pays, un choix en tout cas qui ne relève pas de leur seulement leur intérêt politique, de leur avenir politique en tant que jeune, je ne peux en tout cas ne pas dire que je ne peux pas me retrouver. C'est parmi ces deux candidats, l'un en tout cas va être perdant et l'autre va être gagnant. Donc euh, je ne fais qu'en tout cas souhaiter que le maire gagne et que quand il sera en tout cas à la tête du pays, il va créer les conditions à ce que je me retrouve dans une bonne situation académique, dans une bonne sécurité. on a quelques réactions ici, monsieur Anasazan Hwaragare Merci. je crois que euh, les citoyens, mhm. euh, le comportement ou la réaction des citoyens de la sorte, ça se justifie. Mm. Euh, la bizarrerie, c'est que c'est quoi Vous ne pouvez pas quand même critiquer quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que qu'une constitution est en train d'être violée, particulièrement l'article 47, parce qu'un des candidats ne répondait pas. tout au long de vos, votre démarche, vous avez critiqué cet état des faits Et aujourd'hui, vous revenez encore pour dire aux Nigériens que vous vous référez aux dispositions de, de, cette même constitution. Il y a quand même une contradiction, il y a un minimum. C'est pour ça que j'ai dit dans la vie, avant de t'engager dans quelque chose, il faut mûrement réfléchir mille et une fois. Avant d'inciter quelqu'un, il faut d'abord étudier qui tu es. Est-ce que j'ai cette carrière-là, cette capacité à résister face à l'incitation pour quelles qu'en soient les circonstances, n'est pas me dédier et remettre en cause ma façon de faire et remettre en cause ma dignité et ma crédibilité. Là, c'était Anas qui est aussi perdu que ces jeunes qu'on a rencontrés dans ce Vox Pop. Nous t'attendons depuis un petit moment déjà. Noureddin Awadé, il vient d'arriver. Euh, il va, se, il présenter à nos auditeurs. Ça va Ça va bien. Oui, Noureddin Awadi, tu es du euh, mouvement des jeunes tous pour la République TPLR. Ça va Ça va très bien. Super. Sois le bienvenu sur tout ça, la FADA. Merci. Euh, ouais, comment ça a réaction Abdel Nasser, To, eh, me ake cewa ra'ayi ne, ra'ayi kuma san su discute ba. Amma ni eh, ga gani na wannan kawancin eh, siyasa ifale siyatanda. Shi cikin ƙasa me ake cewa mai tsari. duk wannan matsala sai ke wajen tsara ƙasa ne. Shi cikin ƙasa mai tsari ba ra'ayi na ko ra'ayin kibarabi ko ra'ayin awade shine al gaskiya ko shine addaidai. Komi in matsala ta zo in abu ya faru akwai eh, eh, hukumomi akwai eh, institution na mun kasa da su ne suke da wannan inci ake cewa ko kuma wannan iko mm. na ba da ra'ayinsu na su haskaka mu duka su ba mu haske bisa kan irin en situation de ke partir du moment où ba eh, nan Niger conseil constitutionnel est validé, parce que il valide wata candidature normalement en eh, eh, c'est ça qui est légal maintenant donc le problème qui se pose aujourd'hui si on a un problème ou si les Nigériens ont un problème c'est de regarder maintenant l'organisation de nos institutions ouais. c'est ça le problème c'est ça le défi aux institutions. Quelle analyse tu fais de ces alliances globalement Abun nake so mu gane kaman yan siyasan Niger wanda kuka sani tunda gani comment mu dabbobi ne in sun ce kai ku bina haka eh, sai mutane su bi haka To abun da nake so yan kasa su gane analyse kin ce so mu yi su san da election kai ke shiga cikin irin kai ba wani tu n'es pas la disposition de quelqu'un tu n'es ba kai ba kayan wani ne ba. Eh ba wani ne zai zamna kicin biron shi ya yi declaration mun bi haka da idonsu su an ce in ido ya ji <laughs> <laughs> in kunne ya jiki ya tsira to yanzu abdulaziz eh, mama zan zo gare ka ciye de logité globalement kana yi mana eh, analyse kin basu kan wa'annan alliance kin comment ça s'est fait tun daga har zuwa yanzu eh <coughs> merci shi mhm. eh, kungiya ta siyasa mm. kungiya ce wadda tana da incin ra'ayinta ba dan wata kungiya ta ga ra'ayinta ba daidai ba ne su ta nata ra'ayi ba haka nan ba ne ita kungiyar siyasa ko ce da da ta samu kanta da kuma nata ra'ayi a lokacin da ta ga ya dace ta ɗauki wannan mataki sai ta ɗauke shi wannan mataki a cikin haka nan akwai kungiyoyin siyasar da sun ka gani suka diba tunda dai kujerar ta shugaban ƙasa guda ce ko kenan bai yiwa kowa shi hauta suka diba suka gani to ni mene tana da wanda zai bani dama in hau wannan kujerar sun ka ga basu ga wani abu da sun ka tana dama ba su dama objective man su kai ga wannan wurin ba to sai su diba wa ya kamata mu kama ma ya kai ga wannan wurin tunda wurin mutum guda ne sun ka kama mishi a cikin haka na aka samu wanda suka yi alliance tun premier tour ga kandida da yawa mm. ah, aka zo dezem tour kuma dezem tour a cikin kundin tsarin zaɓe haka nan ne an yi tana da cewa wasu jam'in siyasa su mara ma wasu baya a tahi a mm. nemo mulki wanda suka yarda da su ba to tunda abun a dokance an yarda da shi me zai hana kuma hallo farti ya diba ya gani menene riba ƙasa a cikin wannan tahiyan wane ne ya kamata su kama ma a dora wannan ba matsala bane il faut que les gens cikin largiman politik shi largiman politik kaman furuci ne na siyasa in aka ce siyasa kaman mutum biyu ne suna neman zaura guda ai ba mai zawa ya ce wancan wanda ga sankin na kwarai ne ko haka ne to kun shi dai abdulaziz mamman karin bayan ne ba mu to zan dawo shanka Mohamed Abdougado. Avec ses alliances, c'est aussi les idéologies qui s'en mêlent. Misa wannan na parti parti. wanda parfaitement maintenant. Ravi, euh, bonjour, bonjour. à tous les auditeurs aussi de Studio Klangu. Et je me réjouis de, de ces alliances. Pourquoi et Pour la simple et bonne raison que ces alliances viennent de mettre à nu et le politique. Véritablement, est-ce que c'est des idéologies qui animent le politique. Réellement, c'est quoi la politique C'est le commerce. Les gens, en fonction de leur intérêt, propre, ils n'ont rien à foutre avec l'intérêt eh, eh, eh, du peuple. Donc moi, pour moi, les idéologies, il est bien, si véritablement on tient compte des idéologies, au Niger, on n'aura pas plus de euh, cinq partis politiques. C'est vrai. Hein? Euh, euh, mais aujourd'hui, il faut voir la pléthore des partis politiques que nous avons aujourd'hui au Niger. On va aller avec la rubrique de la FADA et on se retrouve juste après. rubrique Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Vous êtes connectés depuis Agadez. Nous allons profiter de l'occasion pour vous dire où you want. Tout ce qui nous kiffe, depuis Difa, Indewatu Kilewa Saleh. Nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous kiffent à travers nos télévisions partenaires connectés depuis Maradi, depuis Zender, depuis Tawa, tout Tous qui nous kiffent, alors je parle connecté depuis Dosso, Tilaberi, Niamey, Matarankani. Tous qui kiffent cette émission aussi à travers le site du studio Kalangou donc à travers le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Pour les fidèles de l'émission, vous avez certainement une idée de comment est-ce que la comédie évolue ici au Niger. Nous avons reçu des artistes comédiens à moult reprises sur cette émission. Nous allons continuer donc aujourd'hui dans la même logique. Nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes deux artistes qui font la fierté de la comédie Made in Niger. Ils font le buzz sur la toile, ils cartonnent comme pas possible sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec Nang, Aïssi Nang. Les gars, on vous souhaite la bienvenue. On ah, vous souhaite la bienvenue. Ouais, ouais. <laughs> Donc du coup, êtes nan kenan. ni bari. bari. Eh, bari <laughs> donc du coup il faire une to matini mayo kango mayo de hamma isaka hamma isa kame da ino hamma isa na ngomo misali ga ni ci faman dirsi an kan siginin senna na ngomo ma aina ma faro ci aran n'a tun aino ga yama ai sina wani bai bon koino bo bono bono gasi ai sina no ni gindi kiyar sen ma matki gi ci ni se da ai sina banda ifo hono go te pour que hon kon bore go garan siver sur les réseaux sociaux de bore go garan gun telara de bore kayan go garan hangan radio in bai mai katina ai sina na wayar mara ai sina wa matkina na ga sun sanga bu ai ai sini gine ai sina to zair kauya ram bo za mu dogari do dogari idi dogarin bogon do ai no ai sina ai ma ni ma yo ne gabanin ce sai ai ma no ci abdul razak mamman ibrahim ifo non gote ni ba funara Aïba Funara aïgonon une technicienne en maintenance, communication, réseau social. Qu'on a Nations Unies, Aïgo Gono Nations, Nations Unies à office de programme. To son Aïmara Hassan Nifo. Halr Kanda, uh, Misaliga, Masalai, et Kanyaran du Production. Parce que bientôt on aura l'équipe de production avec nous dans le deuxième angle. Arwo Halarang Four Comédie Ora. mattanda mattanda cini fonuna aranda ara nan ni negsintida ayo hakkanne dan komedio rakat za zaigo primaire ay akane se harende harende ni don gate l'école ay don gate inde cele halba ay gidi abdourazak ay gba komedia parce que ay primaire ay manate kala kawira parce que ngo age agote film ay gidi a film dia gi suivre ay ne tubra il faut que ay media aidiya borfona yake ba ne abdurazak yankwano ai ka inte irsentin parce que kai kage gar igote film ninja no igote mhm. film d'action in film d'action wadin ta inde après de irna so irin te comedy irgo te comedy sato di irin mayo no kata comedy kang lala comedy kang lala comedy kang lala to ma boro kango ka ba peni ka be di folon sa se tolo dana go peni misali ga nuro na dumano ame kin popora zai ago kasko peni to nuro kasko dana go di ka ba bon koradi zame sig de hamni ba eh. dir ga na go ago ka ba din peni ifo deno nen dan no comedy wora za de kir be de kan misali ga no gon dan kan dan kan go te ni ba boro gon kan di ni go ara comedy ara gift fur ni go di to in be ka wala ni gondin murado ni go me ni ne dai ni kai ni mati fonu ni damara ni ka san abin da ya sa ni ni ne ne ya sa ka abin da ya sa na shiga ga ya mini mushi tun tun tun tun tun lokacin nan su chef kutkulli Allah ya ji karrai ni mu mhm. kakannin mu ne mhm. to lokacin da maya sun karasu na lokacin ina da yaran ta kamurai sai nace ce to ta ina da ah, nasaru suka ce amur in kamar ina santima da yawa ne kullum ta lokacin da na fara ta yi ina voyage na je wajen premier eh, voyage ina na je ghana daga ghana na ce wani ekola ana ce mishi ekul de komedi na je wajen suna na ware karatu suna koyi da ni hakan da haka me dai na turma kamar ni da kaina mutum ne wanda ko a banza ma ta in baka dariya da Allah gaskiya na Allah bare kai yango gir da dai irga bai ma ne bare kulka yango zam so alir nu fatuno ngoyro ko fu mboda boriyan kang nerse nan aisna irsi mebe wallahi to hankir bai ga dai ima ne bore kan wugi suivre réseaux sociaux youtube facebook dinir guna nim like nim abonné nan isina hmm? maintenant qu'on a message bananta misali ga samedi émission foranko hausawana an gano warga banam tonan dirse de sanni folon gono di hinkano am sibisi hinza ni maganin da nikso so in cira mutane in kwatanta musu ah! munan nan mu Nijar mm. ya kamata <laughs> ya kamata a ce duk mutanen da suna nan suna diba abun ba da dariyan mu kaman wa abubuwan da muna gai wanda suna sadu al'umma na Nijar da Nyamai da kowa da can daji da ƙauyuka da ko ina mhm. muna so ne a cin ta biskan YouTube da Facebook mhm. a yi abu ne biskan fashi mu na akwai shi da kasa nan aisi nan mhm. kana same mu like abun ya kamata a ce nigerian ya kamata ma a ce mu a samu ma mu na kasa <clears throat> <laughs> in gidan wani wani nake point <laughs> Ladies and gentlemen, c'était donc le premier angle. Vous étiez sur l'émission tout ça la Fada. Eh. L'émission continue juste après la rubrique avec la miserie, Et nous prenons donc congé de nos amis artistes. On se donne donc rendez-vous demain dimanche dans un deuxième angle pour parler de la carrière des artistes, des épisodes, de tout ce qui va avec, de la production à la diffusion. Merci Moustaph qui était de l'autre côté. Merci Bibi Philippe. Merci Saka. Ils sont nombreux dont dit que la partie visible en question de l'iceberg souci. Ladies and gentlemen, c'était la machine sur l'artiste s'exprime. C'était la rubrique L'artiste s'exprime avec euh, Mr. Dondi. Nous revenons à la FADA, aujourd'hui installée à la Blousonne. Nous sommes avec le directeur général de la Blousonne, Nasser Ousmane, qui nous a bien accueillis. Merci pour l'accueil. Nous sommes avec Abdelaziz Maman de l'OJT, Mahmoud Abdougado de l'Observatoire de la Jeunesse pour la Paix, Anas Chibril du mouvement Dynamique Citoyenne et Nourdine Awade du TPLR mouvement Tous pour la République. A wannan fadar yau hirar ta haɗa mu choix des alliances politiques quel enjeu pour les jeunes kai ƙasa qu'est-ce qu'elle gagne cikin on ƙawancen da ake na siyasa. na kwanakin ba da suka huce. Za mu ci gaba da wannan shirin namu da waga tambaya. A siyasance abun yana da kyau koko dai sadi quoi en fait sur la politique du pays c'est plutôt positif Anas ou bien Merci bien. Tout ça là, ce tourbillon là. Euh, c'est une question de morale bien que la morale est relative. Si ça ne vous gêne pas, l'extrême gauche peut s'allier à l'extrême droite. Et donc, le centre peut s'allier à l'extrême droite. Tout ça là, ça, ne gêne pas. Si ça ne gêne pas la personne, elle peut faire. Mais ici, au Niger, je dis bien, ce n'est pas une question d'idéologie. Maintenant, aux autres qui auront le choix de faire, du moins ça, qui auront l'opportunité de faire leur choix, de pouvoir faire le choix judiciaire parce que personne n'est derrière et dans l'urne et de comprendre à la limite de tout ce qui se passe exactement. Chacun doit faire sa propre analyse de la situation et pouvoir décider dans l'intérêt du pays, si c'est l'intérêt du pays bien sûr qui l'intéresse, ou bien dans son intérêt, si c'est son intérêt personnel qui l'intéresse. Si, que tu as Eh, wannan zaben da an kai yanda mun ce ne matasa eh, su ma sun dan taka rawa ciki sun taka rawa ba ɗan kaɗan ba mun yi wani ɗan lokaci da matasa sun kai kwana sun ka zama 'yan shan shayi a ba ku shayi a muku runhuwa eh, a kai ku ku zo ku yi iwon siyasa amma yanzu ina ga wannan lokacin sai revolu don ka shi ne daman ina ga 'yan mu ya muna manke matasa ba su nan ga ɗaukar initiative muna mu kullum muna biye da wasu ne amma yanzu matasa sun hawa ganewa suna ɗauka initiative da kansu donc euh, c'est ça le plus important donc, je crois on que c'est peut dire que ça peut aller pour nous Abdelaziz Maman <clears throat> le pays va gagner quoi ƙasa mi za ta samu cikin wannan abun. To, eh, na gode. Kwamar ribar da za ta ci mhm. bisa kai ga eh, wannan zaɓe da za a yi riba ta farko shine a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya. Wannan ƙasa ta ci riba. Riba ta biyu shine in aka ƙare zaɓen nan a hito da institution ko kuma in ce majalisu waɗanda suke da ƙwari waɗanda eh, tahiyar da su yake ba dama ƙasa ta bunƙasa. Abu na uku ta hito da shugabanni waɗanda suke kishin ƙasan kuma waɗanda suke iya kaiwa ƙasan a wajen manufa ta alheri. Wannan shine abin da kasa take cin riba shi a cikin wannan eh, zagaye na biyu da za a tahiya kuma ina fatan ya kasance a haka nan yadda ƙasar Nijar za ta samu ta ci riban wannan zaben. Nuruddin wallahi ƙasa bata da komi bata da riba ko guda tunda dukkan mutanen da suka yi declaration ba su yi declaration da darapocin ƙasa darapocin formation politique cin su ne suka yi ça veut dire que su ne suka je alliance ne tsakanin deux formations politiques la nation la république l'état n'a aucun intérêt l'intérêt de l'état c'est que les élections soient organisées dans les délais conformément à la loi. Bah, c'est ça l'intérêt. Euh, vous savez, euh, quand on parle politique, des fois les esprits se chauffent. Donc, on va détendre un peu l'atmosphère avec l'attentif Fatima Rico qui nous chante ici Jeunesse d'Afrique, jeunesse panafricaniste. On se retrouve juste après. joli message. On revient sur la FADA aujourd'hui. Il est question du choix des alliances politiques et des enjeux pour les jeunes et pour le pays wannan kawancan na siyasa da ake nan ga yi su wai matasa me za su samu a cikin shi kuma suna nan gaba mu ra'ayinsu bisa kan wannan kawancan da ake ta yi kwanakin ga na siyasa a nan bluzon muke tare da bakin namu da muka gayyato muna tare da DJ Kim bluzon nous sommes avec Nourdin Awade nous Abdelaziz Mama, nous sommes avec Anas Chibril nous Abdou Gado de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix chacun d'entre vous kowa ya gayi message kin shi zuwa ga matasan da suke shiraran mu a travers nos 46 radio partenaires et au-delà donc, euh, j'ai dit mon appel à, l'endroit de, de, tous les Nigériens. Yakamata Wana Zagaya Nebiu, Mohuto, Mohuto, et avec euh, tout l'engagement qu'il faut pour aller voter. Parce que, et, ina dibin, et, kaman cicin abun nan tahiyan Kasani, ya kamata a jeunesse kin yanzu sun gane que. yawancin eh, waye nan dai muna da mutum biyu da suke cikin structure politique eh, cikin structure politique muna tambaye su ko avant 2025 su yi komi su hawo saman parti politique kensu zaben da za a yi mhm. a yi shi lami lahiya kuma kasa ya kwana lami lahiya kuma kasa ya ci gaba ya ci unhwani wannan zaben da za a yi to mm. deje ina shinka magana ta karshe to magana da zan yi dai mm. eh, shine eh, tojo in mun kai lissahin duk tece kucen da an kai na siyasa da wani abu duk zancen da mun kai a nan babban matsalar shine confiance à nos institutions c'est là où se trouve le problème donc moi je pense que c'est ça le défi il faut que qu'on réfléchisse mu nazari ya ne mu sa institutionoyi wanda za mu yarda da su za mu yarda da eh, eh, eh, shawarori da dokokin da za su yi da muke fata dai shine wannan zaben a yi shi lami lahiya allah ya zaɓa mana abun da ya yi alheri allah ya ba mai rabusa to anas ina shinka les Nigériens sont tous interpellés, où qu'ils sont. Nous n'avons qu'un seul Niger. Personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que le pays soit en ébullition et que l'interpellation suppose que chacun individuellement est interpellé et chacun doit savoir que l'enveloppe qu'il mettra dans l'urne, c'est sa vie et son avenir qui sont en jeu c'est la sécurité et la stabilité des villageois qui sont en jeu, c'est la richesse de notre nation qu'il est en train de faire. Donc à lui de s'interpeller pour faire le meilleur choix et l'ensemble des Nigériens sont interpellés pour faire un bon choix allant dans le sens de stabiliser ce pays. le 21 mm. février zuwa suke su yi zabe a venirkinsu kaman wuyansu ne suke nan gaba wani ya je ya aikin shekara biyar in ka ba mutum mai aiki kahi adalci in baka ba ba zai maka massage a oh, wuya an kun ba ba eh, aha sai ya abun da nake so mu hadu 18 ans tu as la faculté de distinguer le bien du mal ku izabe ba da zukiya ba amma ku yi da rai mutunan da ya kamata ku yi mai zabe eh shine mu muke so ga matasa yanzu da kai zani karewa Abdulaziz Maman magana ta karshe zuwa ga masu shuraren mu bisa kan wannan shirin eh magana ta karshe dai shine kamar yadda mun ka faro wannan processes in mhm. lahiya har an ka kawo nan na ina fatan yan Niger kuma su mai da himma Mungo de shi lahiya lau. Mun gode amunanmu na fara yanzu kan yi ban kwana kwata-kwata officiellement cikin shirin. On va recevoir euh, la chronique qui sera présentée par Olivier et on se reprend juste après. Chers amis de la FADA, bonsoir. Cette semaine, grâce au compte Twitter Act, ce compte administré par des passionnés de santé donnant des conseils et informations sur les addictions, j'ai appris de nouvelles choses que je souhaite partager avec vous. Eh bien, les addictions, mythes, maladies ou fléaux sociaux contemporains, c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Selon le monde médical, les addictions sont définies comme étant des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité, avec des conséquences sur plusieurs plans, et c'est ce qui rend la question très importante. D'abord, il faut comprendre qu'il existe deux groupes d'addictions. Les addictions liées aux produits, le café, la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, l'alcool ou encore le tabac. Et aussi, il existe des addictions non liées aux produits. C'est des addictions comportementales, l'utilisation du téléphone, les achats compulsifs, une addiction sexuelle, les jeux de hasard et d'argent. Et aussi, les médecins ont également rappelé que il est possible d'avoir un comportement de consommation de substances psychoactives ou de jeux qui ne répondent pas pas aux critères de l'addiction. Par exemple, au Niger, boire un verre de thé chaque jour avec ses proches fait partie des comportements intégrés aux habitudes sociales d'une personne. On se demande quand est-ce qu'une personne est déclarée dépendante. Selon les sources que j'ai consultées, une personne est déclarée dépendante lorsqu'elle se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer elle perd le contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement, et ce, malgré la survenue de conséquences négatives sur sa santé et sur sa vie sociale. Je vous donne un exemple. L'exemple de quelqu'un qui, malgré une perte d'emploi pour consommation d'alcool, continue d'en boire quand même, eh bien, cette personne peut être considérée comme dépendante. Également, la perte de contrôle conduit à des tentatives répétées pour réduire ou stopper l'usage ou le comportement. En l'absence d'une prise en charge spécifique, ces tentatives se sautent fréquemment par des rechutes, car après une période d'abstinence, le syndrome de sevrage surgit. L'envie devient alors de plus en plus forte. Quelles sont alors les conséquences de l'addiction dans le temps on en parle demain dans la chronique du dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien Olivier pour tes chroniques aussi euh, sympas les unes que les autres.

réagir sur nos émissions le 80 06 88 à 54. Au revoir, à tout à